I'm from Vietnam. I like Admon TV. Senegal, we win. mbégte rek ak contentement comme nim koy defee rek euh, ci émission on refait la marche on refait la marche avec l'international Zamado Wa di ci contente rek di wax ni ak Asmoon TV dara du len rër ci Qatar parce que ci lool rek lañuy dox Manam di wax analyse yi nga xamni tay ji ni mom moom lañ jëlee ci match yi nga xamni mom moy équipe africaine yi gis nañ nak demb euh, manam résultat yi am ci ñaari équipe africaine yi nga xamni ne ñoo doon jé muy digënté Ghana. ak euh, ak euh, Uruguay gis nañ ni marché bi demee waaw parce que marché boobu match la boo xam ne ci première mi-temps bi rek waroon na waroon waroon na jeex sax ci Ghana parce que seen penalty boobu bu ko dugaloon dina am lu bëri loo xam ne war na leen ko mën a indil mais tamit euh, gis nañ ni résultat bi mu jee tamit ñu dem ci Brésil ak euh, Cameroun gis nañ tamit Cameroun tamit image bi mu wane ci Afrique représenté Afrique dignement parce que ban équipe la gagné Brésil gagné nag du lu tuuti parce que xam ne jël na cinq fois coupe du monde du lu tuuti kon dañ ci am mbégte di féliciter nu mu tuddati Cameroun Ah, di encouragé tamit brésiliens yi di xam ni rek Cameroun wax deug yalla sigil nañ Afrique parce que gagner Brésil rek lu reuy la mais tamit ci lool rek lañuy wax dañuy ñëwaat rek ci le grand consultant le grand expert Amadou Ndoye Ndiaye di Zamodo muy l'international bi nga xamni mi ngi def liggéeyam bu mat a mat a ci Doha di kontaan ci ñëpp nak di wax ni rek damay and ak yeen rek dem def analyse bi nga xamni tay ji ni mom la ñaari équipe yi nga xamni moy représenter Afrique def acca la ñu dem ci mom bonjour As, bonjour aux téléspectateurs de Asmoon TV, revivificateur des valeurs. Samedi 3 décembre 2022, Coupe du Monde, Qatar, ici à Doha, on refait le match. Ghana, Uruguay, 0-2. Grosse déception pour l'équipe ghanéenne, car avant ce match, ils avaient la possibilité de se qualifier. Mais malheureusement, ils ont perdu devant une équipe uruguayenne très, très, très expérimenté avec des Suarez, Bentancourt, Cavani en deuxième mi-temps. Le fait du match et le pénalty raté par André Ayou à la dixième minute. Ce pénalty raté a plombé l'équipe ghanéenne et malheureusement, le syndrome de 2010 est revenu car après ce geste manqué, l'équipe ghanéenne n'a jamais su revenir dans ce match, mener 1 à 0 et après 2 buts à 0, malheureusement, cette équipe ghanéenne sur qui on fondait beaucoup d'espoir, sort de cette Coupe du Monde. Mais auparavant, moi j'avais des doutes. Parce que la dernière fois, je vous avais dit que cette équipe ghanéenne, malgré son, niveau de jeu au niveau du milieu de terrain et de l'attaque, elle avait une défense très très très faible. Aujourd'hui, cela s'est vu. Et malheureusement, ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Et aujourd'hui, l'équipe ghanéenne sort de ce tournoi. Comme la Tunisie il y a deux jours, parce que la Tunisie, même en ayant gagné contre la France les champions du monde, ils sont sortis de cette Coupe du Monde. Malgré cela, avec la tête haute. C'est dommage, c'est dommage. Mais je pense que l'équipe gagnante, avec des jeunes qui pointent le bout de leur nez, a des espoirs, a de quoi faire pour l'avenir. Ici Doha, Asmoun TV, revivificateur des valeurs, Qatar 2022. À vous, As. Bonjour As. Aujourd'hui, nous allons faire le match de Brésil-Cameroun. Asmoun TV, revivificateur des valeurs. On refait le match. Brésil-Cameroun. Le Cameroun qui gagne par un but à zéro, but de Vincent Aboubakar. Au bout du bout, malheureusement, Vincent Aboubakar, en ayant célébré ce but et en enlevant son maillot, s'est vu délivrer un deuxième carton jaune qui lui a valu son expulsion. On peut dire que le, Cameroun, malgré son élimination, marque un grand coup dans cette Coupe du Monde. Parce que de mémoire de footballeur, ou en tout cas d'expert du football, je ne, je ne me rappelle pas d'une équipe africaine en compétition mondiale battre les quintuples champions du monde qui sont le Brésil. Donc on peut dire malgré l'élimination du Cameroun, ils ont fait une très belle sortie. Et on a vu que dans cette équipe camerounaise, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir à fonder pour l'avenir. Malheureusement, les incidents qui ont survenu à un peu plombé l'équipe avec l'éviction du gardien Onona, qui je pense aurait pu leur faire du bien. Mais dans le football, on ne part jamais des absents on parle des gens présents. Si on fait le bilan de cette première partie de Coupe du Monde, on peut dire que l'Afrique a été reçue 2 sur 5. Malheureusement, la moyenne n'est pas atteinte parce que, en premier lieu, la Tunisie est sortie, le Ghana est sorti, le Cameroun, en dernier lieu, est sorti de cette Coupe du Monde. Parlons des peut-être des satisfactions que sont le Sénégal et le Maroc. Et l'Afrique fonde beaucoup d'espoir sur ces deux équipes. On aura la possibilité de le voir demain avec l'entrée en lice du Sénégal contre l'Angleterre. Sur ce match, on va dire que le Sénégal est outsider, donc ils n'ont rien à perdre. Il faut jouer à fond le match pour ne pas avoir de regrets à la fin. Quoi qu'il puisse arriver, on doit jouer d'un et je pense qu'aujourd'hui, le slogan du Sénégal, le Manco Damli, aujourd'hui, doit avoir encore mieux sa raison d'être. Asmoun TV, ici Doha, Qatar 2022, cadre des valeurs, on refait le match. I'm Vietnam, I like TV, Sénégal we win.